Effectivement, c'est une coalition euh, informelle de, 20 organisations de la société civile du Sahel. Quand je dis Sahel, je fais allusion notamment aux pays du l'Itako Gourmand, de Burkina, du Mali et Niger. Alors, ces organisations ont essayé de fédérer leurs efforts pour mettre sur pied cette coalition, donc euh, en guise de contribution soit aux efforts et aux initiatives gouvernementales en matière de la sécurité humaine et, de la protection des populations civiles euh, dans le pays et dans le pays du Sahel. Vous pas sans savoir que y a les, États du Sahel et leurs partenaires internationaux ont mis sur pied une coalition internationale pour le Sahel et qui euh, a quatre euh, piliers citoyens. Mhm. Alors, le premier pilier citoyen étant relatif euh, à la question de, la protection des populations euh, civiles, euh, n'est-ce pas, qui doit être au cœur de la réponse au Sahel. Mhm. En fait, il faut mettre la protection des civils et la sécurité humaine au cœur de la réponse au Sahel. les le deuxième pilier doit viser, n'est-ce pas, à créer une stratégie globale qui s'attaque aux causes profondes de l'insécurité. Parce qu'on a l'impression que dans nos différents pays, on, s'attaque aux causes euh, immédiates, alors qu'il faut aller en profondeur pour trouver des solutions. Alors, euh, quant au troisième euh, pilier, il s'agira de répondre aux urgences humanitaires et de veiller, n'est-ce pas, à, ce que l'aide de développement soit adaptée. Et un dernier dernier pilier, non, <laughs> non la moindre, c'est la question de lutte contre l'impunité et la garantie d'accès à la justice. Alors, donc, nous, nous avons pour mission, n'est-ce pas, de faire le suivi de la mise en œuvre de ces quatre piliers-là. Alors, faire le suivi, ça veut dire que nous pouvons effectivement récolter sur le terrain les impacts de la mise en œuvre de ces quatre piliers citoyens. Et nous avons la possibilité de remonter aussi des informations à ces décideurs nationaux et internationaux par rapport, n'est-ce pas, à la pertinence et à l'effectivité n'est-ce pas, de ces euh, piliers-là. Alors, une autre mission que la coalition se donne, c'est en quelque sorte euh, faire valoir euh, notre expertise et notre perspective en tant qu'acteur de la société civile sahélienne en première ligne, parce que nous sommes étroitement connectés aux communautés locales qui sont directement affectées par cette crise multidimensionnelle. Et d'ailleurs, nous sommes aussi <laughs> issus de ces communautés, donc nous sommes à même de porter leur voix et nous sommes à même de relayer leurs préoccupations au niveau des, États et dans, à l'échiquier en fait sur la scène nationale, mais aussi sur la scène internationale. Donc, euh, il faudra aussi peut-être mentionner que euh, l'une des raisons qui a prévalu à la création de, cette coalition est que aujourd'hui, si nous regardons la situation globale dans les pays d'Israël, on se rend compte que il y a une dégradation, n'est-ce pas, de la situation. Et euh, cette dégradation se manifeste par euh, des violences parfois extrêmes, mais aussi par des abus et des violations des droits de l'homme. Et ces abus et violations sont même parfois perpétrés par nos propres forces de défense et de sécurité à l'encontre des populations civiles. Donc, euh, de l'autre côté, vous avez des groupes armés euh, qui peuvent être djihadistes ou des groupes d'autodéfense qui commettent également des extractions à l'encontre des populations civiles. Et donc, euh, en, conséquence, euh, la situation peut conduire à une montée de la méfiance entre les communautés elles-mêmes et entre les communautés et les forces de défense et de sécurité. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous en, unanime que sans la collaboration et sans la participation des populations, il n'y a point de sécurité. Mais malheureusement, cette population, elle est parfois oubliée Malheureusement, cette population n'est même pas parfois consultée et impliquée dans les questions sécuritaires. C'est pourquoi nous, nous avons dit que, à travers cette coalition, nous, nous voulons faire savoir ou marteler à l'opinion nationale et internationale qu'il est temps de dépasser les tout sécuritaires et d'aller vers une approche holistique qui prend en charge les quatre aspects que je viens d'évoquer, à savoir la question euh, de sécurité humaine, la question de justice, la question de développement et la question d'analyse des causes profondes. Et pour tout cela, il faut consulter ces populations dans le cadre de leur euh, propre sécurisation. Cela est indispensable aujourd'hui. Ce n'est pas une simple euh, approche ou un concept, c'est une nécessité absolue vers laquelle les États d'Israël doivent aller aujourd'hui si nous voulons effectivement amener une sécurité, une stabilité dans nos États. Donc euh, la coalition a mission de contribuer et non de constituer un contrepoids ou de constituer une, duplication. Vous l'avez évoqué, mais c'est Drissa Traoré, à euh, les différentes missions de cette euh, coalition. Mais comment vous comptez mettre tout en œuvre dans une région ou bien dans un espace Sahel marqué par les exactions sur les civils C'est une coalition qui contient euh, une vingtaine d'organisations euh, de, trois États que j'ai cités, le Mali, le Burkina, euh, le Niger. Et ces organisations sont sur le terrain. Ces organisations sont en mesure de suivre, d'assurer plutôt le suivi de la mise en œuvre de, ces quatre piliers-là. Parce que c'est les États qui, qui vont assurer la mise en œuvre. Et nous, nous avons la possibilité de suivre si effectivement et, des actions sont menées conformément à ces engagements pris par les États, conformément à ces promesses et à ces déclarations. Et nous sommes en même de le constater. Moi, j'ai l'habitude de dire la question de sécurité, ce n'est pas, par exemple, euh, un mal des yeux, c'est-à-dire j'ai mal aux yeux. Disons, ce n'est pas un mal de ventre parce qu'on ne voit pas. Mais quand on a mal aux yeux, on le voit. Alors, c'est une question de, de mal de, yeux parce que c'est visible. Quand il y a des actions concrètes, quand il y a des résultats, ils sont visibles. malheureusement, parfois, il y a des, des, discours, il y a des déclarations qui vont dans le sens euh, de dire, par exemple, oui, nous avons neutralisé, nous avons eu tel succès, mais en réalité, la population n'a pas cette perception d'être en sécurité. Et nous, nous sommes à même de le savoir puisque nous sommes sur le terrain, nous côtoyons quotidiennement ces populations et nous pouvons remonter ces informations-là. Et il ne s'agit pas seulement de remonter ou critiquer, mais c'est de dire en tout cas que vous avez promis de faire ça, vous avez déclaré de faire ça, mais aujourd'hui, nous constatons que, par exemple, à Tilaberi, eh, à Koro, ou voir euh, eh, dans le Soum, nous constatons que ces populations sont restées à elles-mêmes. Donc, euh, nous sommes des acteurs de terrain et nous n'allons pas nous asseoir euh, à partir d'un bureau, faire des déclarations. Moi, j'étais à Massina euh, la semaine dernière, Massina qui est une zone, j'allais dire même infestée, avec la présence de groupes. J'étais là-bas pour un dialogue et j'ai entendu les communautés, j'ai regardé, j'ai observé et j'ai fait de quoi les populations souffrent. C'est ça l'importance aussi de cette coalition, parce qu'elle n'est pas considérée des bureaucrates, elle est constituée des hommes et des femmes du